le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou 18h passé de 15 minutes à Niamey, les programmes du studio Kalangou se poursuivent. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du forum du studio Kalangou. Les émissions du studio Kalangou que vous recevez grâce à une vingtaine de radios partenaires un peu partout à travers les huit régions du Niger. Ce soir, nous abordons ce forum avec les causes et les conséquences de la décision du gouverneur de la région de Zander, celle d'interdire la vente du carburant fraudé. Nous irons également à Bosso, aux régions de Tifa, pour voir comment la vie et l'aide humanitaire s'organisent deux mois, euh, euh, moins de deux mois après l'attaque sanglante perpétrée par Boko Haram. Et enfin, nous parlerons du sport plus précisément d'athlétisme, une discipline qui végète dans la léthargie. Voilà l'essentiel euh, du menu de ce forum. Bosso, euh, la vie reprend en son cours normal et l'aide humanitaire s'organise après l'attaque sanglante perpétrée par Boko Haram en juin dernier. Selon le préfet de Bosso, lieutenant Bouré Massaini, toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement nigérien pour garantir la libre circulation des personnes et de leurs biens dans la localité de Bosso. On l'écoute. Lieutenant Bouré bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, le préfet de Bosso. Comment se présente la situation sécuritaire dans votre entité administrative euh, S'il faut parler de la situation sécuritaire à Bosso, je vous dirais sans embâche que tout est calme, tout va bien, la population est revenue. Maintenant, on est au stade de développement. Qui dit développement dit que la sécurité et la paix sont déjà installées. Et je vous assure qu'aujourd'hui, Bosso, vous pouvez aller et revenir sans vous inquiéter. L'État a pris toutes les dispositions pour que la population soit sécurisée et elle est en train de travailler, notamment dans les domaines de récupération de terre, le reboisement, l'agriculture même du poivron qui est la vocation première là-bas. Les éleveurs sont sur leurs activités. Donc, je puis vous assurer que Bosso aujourd'hui ça va. Et la preuve, nous, nous sommes dedans. Nous sommes à Bosso avec notre famille. Donc, euh, s'il n'y avait pas la sécurité, nos familles ne seraient pas avec nous. Il y a eu beaucoup de populations déplacées. Comment s'organise l'aide humanitaire sur place à Bosso? Bon, vous savez, le Niger est un État souverain qui a adhéré à des accords, qui a signé des accords internationaux. Donc le déplacement des personnes, je vous dis que déjà le gouvernement du Niger a pris un acte courageux en déclarant ce qu'on appelle euh, prima facie. Ça veut dire que tout celui qui aura traversé la frontière a déjà le statut de réfugié. Contrairement à d'autres pays où vous voyez les gens avec les bagages sur les têtes, avec euh, des files d'attente pour l'enregistrement. Ça, c'est un acte courageux qu'il faut saluer et que les gens ignorent d'ailleurs. Le statut de prima facie, c'est pas tout Nigérien qui connaît cela. Et en plus, les réfugiés à leur arrivée sont pris en charge. L'État du Niger, à travers la CCH, qui a été décentralisée, c'est-à-dire la cellule des crises humanitaires, qui a été décentralisée qui a aussi un bureau dans la région de Difa, qui prend directement en compte les arrivées et qui les oriente et qui les nourrit, qui prend leur santé, leur alimentation, leur boisson. Et je puis vous assurer que c'est des citernes que l'État loue euh, chaque jour pour assurer seulement l'eau potable. Qui dit déplacement dit situation sanitaire. Euh, comment se porte euh, la situation sanitaire sur place On a eu l'expérience de gérer ces situations. Pas moi seul, moi j'étais d'abord préfet à Tilia là où il y a eu la guerre du Mali. J'ai été préfet de Tassara, là aussi il y avait eu des déplacés. On a eu cette expérience au jour le jour. Ça veut dire que cette situation des déplacés de Bosso n'est pas nouvelle pour nous. Nous ne sommes pas novices dans le domaine pour avoir géré déjà deux situations auparavant. Et en plus, pour leur santé, l'État a mis des produits avec des partenaires techniques et financiers. Il y a des cliniques mobiles même qui se déplacent avec les réfugiés. C'est vrai, quand les personnes viennent avec des enfants déshydratés, fatigués, il y a des petites euh, maladies liées à tout ça, mais qui ont été circonscrits depuis leur arrivée. Quelle est la situation de l'élevage Nous savons qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont démobilisés. Quelle est leur situation sur place En tout cas, en ce qui concerne Bosso, pour vous parler de la situation pastorale d'abord, nous avons la biomasse la plus importante dans la région de Bosso. Aujourd'hui, les éleveurs sont là-bas, vous pouvez aller vérifier. Chacun est en train de paître ses animaux sans s'inquiéter. Maintenant, c'est vrai, il y a des gens qui ont été démunis, qui ont perdu des animaux liés à cette insécurité. L'État a fait le point, la situation de tous les pasteurs, les éleveurs ayant perdu des animaux dans le cadre de la crise. Mais d'ores et déjà, avant tout ça, dans le cadre de l'état d'urgence, l'État a demandé aux éleveurs qui étaient dans les îles de retourner sur la terre ferme là où on pouvait assurer leur sécurité. Bon, si des gens s'étaient entêtés, vous voyez comment c'est un choix, mais elles sont libres de, de, choisir. Bon, mais on est en train de voir comment dédommager par après ceux qui avaient respecté quand même le mot d'ordre que l'État a donné. Votre entité administrative a connu aussi des conflits intercommunautaires. Comment est-ce que vous avez pu gérer tous ces problèmes Vous savez, les conflits, tant qu'il y a communication, tout est réglable. Et tant qu'on négocie, ce qui est difficile aujourd'hui va devenir plus facile demain. C'est une façon, il faut juste communiquer, il faut, donc en tant qu'autorité, nous sommes entre les deux communautés et on connaît comment eh, négocier, communiquer. On est même arrivé à amener les gens à s'asseoir ensemble et se pardonner, se demander pardon et c'est même devenu un cousinage à l'heure où je vous parle. Donc vraiment, ça, c'est réglé. À un certain moment, nous savons que Bosso a été coupé du monde à, à travers les problèmes de communication téléphonique. Est-ce que la situation est maintenant rétablie Voilà, c'est une très bonne question d'ailleurs, parce que quand on ramène les gens, il faudrait aussi assurer le minimum les services sociaux de base, notamment l'eau, l'électricité, la communication. C'est vrai, les éléments de Boko Haram ont mis à fait tous nos réseaux, tous nos faisceaux, Orange, hertel Personnellement, je suis allé voir euh, la direction de l'Orange de DIFA, qui a fait une mission d'évaluation et qui me dit que maintenant pour restaurer la communication, ça coûterait une enveloppe de 300 millions environ. Bon, ils sont en train d'hésiter. J'ai un peu approché RTL. Bon, peut-être qu'ils ont leur raison, mais je ne me suis pas arrêté là quand j'ai vu que c'est en train de traîner. Quand même, Sahelcom, qui est au moins étatique Quand je les ai vus maintenant, à l'heure où je vous parle, en tout cas d'ici la fin de ce mois, ils ont promis de rétablir la communication au niveau de DIFA. Et c'est même une occasion de lancer un appel à la population de Bosso pour qu'elle nous fasse confiance. On est en train de lutter justement pour que le cadre de vie soit encore meilleur. Et c'est notre mission et on la fera, il n'y a aucun problème. Dans quelques jours, il y aura la rentrée scolaire. Est-ce qu'à Bosso, toutes les dispositions ont été prises pour une bonne rentrée scolaire 2016-2017 ans hein, monsieur le préfet. Je vous invite à Bosso le jour de la rentrée et vous verrez bien que la rentrée va être effective et toutes les dispositions ont été prises, le matériel est en place. L'inspecteur et le, le, chef de personnel sont déjà à Bosso en prélude même à cette rentrée que vous demandez. Est-ce que les enseignants peuvent être sur place le jour de la rentrée Je vous l'assure parce que je suis en contact avec les enseignants, où qu'ils soient en vacances. Je suis toujours en contact avec eux, on échange toujours et ils ont la volonté de revenir pour enseigner parce que c'est une mission. Tout comme le militaire, l'enseignant aussi doit être sur le terrain, effectivement, pour qu'il n'y ait pas de perdition par rapport à l'éducation. Mon lieutenant on vous remercie. C'est moi qui vous remercie. C'était là lieutenant Bourema Saini, euh, préfet de Bosso, relativement à la situation sécuritaire et humanitaire dans sa localité. Nous vous le disions hier, le gouverneur de la région de Zender, Issa Moussa, a annoncé que des mesures avaient été prises pour lutter contre le transport clandestin d'essence, une activité à laquelle s'adonnent les jeunes qui partent acheter le carburant au Nigeria à moindre coût pour revenir le revendre à Zender. Quelles sont les principales causes et les conséquences de ce phénomène? Sur ce point précis, notre correspondant correspondant Ali Keta s'est entretenu avec Amadou Dankore et les acteurs de la société civile sur place à Zander. Voilà sa réponse. Ce qu'il faut d'abord se rappeler, pourquoi les gens là ou les jeunes gens s'adonnent à la fraude, communément appelée loi-loi ici dans la région des Zander, c'est parce que vous savez très bien qu'on a une raffinerie ici à Zander et c'est pas tout le monde qui se ravitaille des produits de cette raffinerie. Et c'est pourquoi ces jeunes-là se sont vraiment, s'adonnent à cette activité pour aller au Nigeria acheter à moindre prix l'essence et venir vendre ça ici aux populations de la région des Anders à moindre prix. Donc voilà d'abord c'est la question de cette activité, il faut chercher les causes. Qu'est-ce qui a poussé la prolifération de cette activité des fraudes d'essence appelé Rouaroua. Si vous vous rappelez très bien, nous sommes une structure de la société civile qui a tant bataillé sur la question du prix de notre essence euh, de la Souraz. Mais malheureusement, les autorités ont fait sourde oreille et nous ont fait comprendre que la raffinerie a été surfacturée. La construction même de la Souraz a été surfacturée et vraiment les autorités ne peuvent pas faire en sorte que euh, de vendre euh, l'essence à moindre prix afin que la population s'approvisionne. Mais c'est ça qui a poussé les gens donc à s'adonner à des activités illégales, notamment la fraude des hydrocarbures. Là, moi, je crois que voilà la première cause. La deuxième cause, il faut voir ces gens-là qui sont en train de faire ces activités. C'est des gens démunis qui n'ont aucun emploi. Et l'emploi, là, que ça leur donne euh, vraiment de quoi les occuper et de quoi éviter certains vandalismes et certains banditismes dans la ville des Anders ou dans la région d'une manière générale. Et en dehors de ça, encore, il y a euh, le manque de patriotisme même des dirigeants. Sinon, voilà les deux causes. Mais il faut essayer de réorganiser ou d'organiser ces gens-là afin que l'État aussi ne bénéficie de quelque chose. Mais dire vraiment qu'on va arrêter ça immédiatement, sans mesure d'accompagnement, moi je crois, à mon sens, vraiment c'est chercher à créer un certain nombre de troubles que personne ne sait comment guérir ça. Mais tout de même, moi, selon ma proposition ou la proposition que je dois faire aux autorités régionales, c'est de regrouper ces gens-là d'abord, d'échanger avec eux, voir les voies et moyens, soit pour interdire ou bien soit pour les formaliser afin que tout le monde arrive à avoir son gain là-dessus. Mais dire là qu'on a arrêté immédiatement, il faut s'attendre à des conséquences. Mais nous, en tant qu'acteurs de la société civile, sincèrement, nous savons très bien que la fraude est illégale, nous savons très bien que la fraude, c'est quelque chose qu'on doit combattre, mais tout de même, encore, il faut essayer de regarder avec un œil de réflexion pour que vraiment qu'on arrive à à résoudre ce problème-là à l'amiable sans qu'il des remous sociaux. Le prix du litre d'essence a augmenté euh, de la ville de Zender euh, ces dernières 48 heures suite à cette décision du gouverneur de la région de Zender. Alors, quel est votre constat Mais c'est ça la conséquence. Je dit euh, c'est ça la conséquence. Maintenant, on a dit qu'on va arrêter. Déjà, les esprits mal intentionnés commencent à s'adonner à des spéculations. Maintenant, les prix de litre d'essence, même sur le marché noir, a connu une hausse vertigineuse jusqu'à une hausse de 100%. Euh, l'essence euh, sur le marché noir qu'on consommait à 300, maintenant c'est à 600 francs. Mais même aux stations, l'essence normale. 150 euh, dans certains endroits, 800 francs. Oui, voire 800, 800 francs dans, certains endroits. Voilà donc ça, c'est les premières conséquences. Et là, c'est les consommateurs qui ne peuvent pas aller à la station. Et même si on dit, on arrête ça. Est-ce qu'il y a y a des stations Est-ce qu'il il y a des stations Est-ce qu'il y a... C'est pas n'importe où il y a des stations. Et là aussi, c'est la mauvaise politique de l'État. C'est la mauvaise politique de nos autorités qui ne réfléchissent pas pour l'avance. Sinon, à l'avance, on doit réfléchir pour créer des stations un peu, partout dans tous les départements du Niger. Là, on, peut dire qu'on arrête cette activité. Mais si vous arrêtez cette activité ou maintenant, les moulins à grains fonctionne avec des hydrocarbures. Les motos, là, on n'en parle pas. Les moyens de déplacement maintenant dans la région, c'est les, les, motos, en ville comme en campagne. Et vous arrêtez cette activité qui ravitaille ces gens-là, sans mesure d'accompagnement. Qu'est-ce que vous voulez à ce que ça se passe C'est de créer des remous, et c'est ça que nous ne voulons pas. Alors pourquoi les gens, euh, les consommateurs euh, préfèrent euh, l'essence frauduleuse c'est-à-dire c'est sur le marché noir, que dans la vie des Indiens, il y a des stations d'essence quand même. Mais Ali, l'essence, c'est un produit euh, consommable par les machines. C'est un produit consommable pas par l'homme euh, directement. Et c'est pas l'homme, c'est pas le goût. Tu mets l'essence sur le marché noir, tu vas circuler. Tu mets l'essence sur les stations, tu vas circuler. Donc, quitte à toi maintenant de savoir, de choisir là où tu es ravitaillé en carburant. Il y a là-bas, au niveau des stations, à 540 francs. Ici, c'est le marché noir à 300 francs. Où allez-vous opérer votre choix Moi, je crois que d'abord, en tenant compte des niveaux économiques des Nigériens et des citoyens de la région des Anders, moi, je crois que ça va de soi que les gens se ravitaillent plutôt au niveau des marchés noirs euh, à 300 francs à moindre euh, frais au lieu d'aller euh, vers les stations aussi à 500 francs. C'est une question de compétitivité, c'est une question des prix. Les prix au niveau des stations est élevé et nous disons toujours que c'est élevé. L'État doit essayer de voir comment on doit réduire les prix là au niveau des stations. Il y avait des promesses. Quand on a commencé la lutte, on nous a fait la promesse en 2012, on va réduire. 2012 a passé. On a fait une autre promesse en 2014, on va réduire. Et jusqu'à présent, 2016, les prix à la pompe n'ont pas diminué. Cela veut dire quoi Cela veut dire que l'État n'a pas la bonne volonté, lui aussi, de contrecarrer la fraude. S'il a la bonne volonté de contrecarrer la fraude, c'est de réduire notre essence produite par nous pour que les citoyens, pour que la population, d'une manière générale, consomme cette essence et que l'économie du Niger arrive à se redresser. Mais si on laisse ce qu'on a constaté, c'est même l'essence de la fraudée. Encore, c'est même l'essence de la sourate réversée dans les marchés, les marchés noirs des Indes. Et là, moi, je suis quelqu'un qui a suivi notre structure a suivi ceux qui font ces déjà des activités indélicates, mais malheureusement, aucune mesure à l'époque n'a été prise pour contrecarrer cela. Et ça va de soi que on voit l'essence fraudée venant du Nigeria, réversée, euh, réversée au Niger, partie du Niger, réversée au Niger. Et c'est ça, malheureusement, qui donne foi à la fraude. Et pourquoi, M. Amadou, les Nigériens préfèrent l'essence euh, euh, du Nigeria euh, que notre. Puisque ici au Niger, on sait qu'il y a de l'essence. J'ai dit, c'est la question du prix. C'est la question du prix. L'essence du Niger est très chère. À la station, c'est à 540 francs. Sur le marché noir, c'est à 300 francs. Même si c'est vous, vous allez vers 300 francs pour faire une économie. Et vous savez très bien que en matière d'économie, moi je crois que euh, là où il y a mieux, c'est là-bas où tout le monde euh, va pour s'en approvisionner. Pour finir, Monsieur Amadou, quelle est votre euh, proposition par rapport à cette décision prise par le gouverneur des Indes la question vraiment des, des carburants fraudés, moi j'ai dit, j'ai dit, les causes se trouvent dans le social il faut chercher d'abord qu'est-ce qui a poussé les gens là à s'adonner à cette activité. Maintenant, dialoguer, échanger avec ces gens là. Parce que c'est des gens, même si ces gens là commettent des dégâts, tout le monde sait très bien que eux aussi, ils sont en train de faire d'abord une activité illégale, une activité informelle, et encore en plus, ils tuent des gens mais appeler ces, jeunes-là pour essayer de les formaliser afin même de les faire un, syndicat. Là, moi, je suis sûr que si on les regroupe en association, on va essayer d'abord de canaliser cette activité et même à la longue l'interdire d'une manière paisible. Mais interdire la ipso facto, moi je sais qu'il y a des conséquences. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, les dialogues, là, il faut que ça soit inclusif, mais pas un dialogue répressif. Parce que ça, moi je crois que c'est même pas un dialogue, c'est un monologue que le gouverneur a fait, parce que je, à ce que je sache, il n'a pas touché cette frange de la population qui s'adonne à cette activité pour échanger avec elle afin de prendre une décision. Nous, on a entendu la décision tomber du ciel. On ne sait pas si au préalable, il a échangé avec eux, on ne sait pas. Mais ce qu'on prend, ce qu'on propose, vraiment, c'est d'échanger avec cette population et de voir comment euh, résoudre ce problème. C'était là Amadou Dankoré, acteur de la société civile à Zander, qui s'exprimait par rapport à la décision du gouverneur de la région de Zander, celle d'interdire la vente du carburant fraudé dans toute la région de Zander. Le 23 août 2016 euh, a été commémoré le 28e anniversaire de la mort d'El Hajj Mamantaya, né en 1951 à Ngengimi, dans la région de Difa. De son vivant, en feu, El Taya a marqué la musique moderne nigérienne à travers l'orchestre national de la capitale dont il est le patron. On pourra honorer sa mémoire. à Les artistes nigériens et le gouvernement nigérien de l'époque a appuyé euh, euh, par des partenaires qui ont, créé le centre de formation professionnelle de musique euh, baptisé CFPM El Taya, un centre qui regorge divers objets culturels. Euh, ce soir, nous parlerons des instruments de la musique traditionnelle nigérienne. Tarnan Foudey Ahmed s'est entretenu, à cette occasion avec Boubacar Garba Ditela. Il est le conservateur du musée des instruments traditionnels Mamangarba, situé dans l'enceinte du CFPM à Taya. On l'écoute. Le musée a été créé en 1994 par feu Dr Mohamed Garba. Il est l'initiateur et l'investigateur de tout ce que vous voyez ici de ce musée. Il a été créé, sinon ça doit être un patrimoine propre à lui, mais qu'il a légué pour l'État nigérien, dont aujourd'hui le ministère et toute la nation nigérienne doit se réjouir. Pourquoi se réjouir Parce que nous avons tout notre patrimoine instrumental musical du Niger qui est exposé dans ce musée. Et c'est vrai qu'il n'a pas fini les travaux que Dieu l'avait arraché, mais nous souhaiterons peut-être continuer cette collecte enquête et collecte pour recueillir d'autres instruments, amener l'exposé ici. L'utilité de ce musée, c'est que c'est un outil qui va sauvegarder tout ce que nous avons comme patrimoine instrumental traditionnel de notre musique, que ce soit la musique socio-professionnelle, la musique euh, euh, populaire et la musique aussi sacrée, parce qu'il y a les trois ou quatre types de musique. Et il y a aussi cette musique euh, de la dynastie, c'est-à-dire euh, des palais de chefferie. Voilà. bien sûr que dans ce, dans ce cadre-là, nous n'avons pas pu recueillir beaucoup d'instruments par rapport aux instruments des, cours dynastiques, mais nous en avons quelques-uns qui ont été euh, recueillis. Donc là, c'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit l'enquête doit continuer. Et là, ici, le Nigérien qui fait un tour dans ce musée, en tout cas, il doit se réjouir qu'il a toute sa culture musicale ici exposée. Parce qu'il y a même des instruments qui tendent à disparaître et qu'on a pu aujourd'hui récupérer et les exposer. Ça va nous faire tracer, au moins retracer les traces de cette culture musicale. Dieu merci que docteur avant sa mort, il a eu à faire tout, il a abattu tout le grand travail Aujourd'hui, il faudrait que le ministère en charge de la culture prête euh, une suivi particulière par rapport à ce musée, à ce patrimoine, et même voir comment impliquer l'université à pousser certaines recherches et des, et des écrits par rapport à ces instruments-là. Parce que c'est ce qui a beaucoup manqué. Et la seule personne qui a eu le courage de le faire, est parti sans qu'il y ait une relève. C'est ce que je trouve très dommage. Or, on ne doit pas laisser tomber cette affaire. Nous devrons la continuer puisque ça, c'est pas dans n'importe quel pays qu'on va trouver un musée qui regorge tous les instruments de, de ces ethnies hein, ou de ces régions-là, exposer et, faire revivre un peu la culture euh, musicale. Dites-nous, comment vous arrivez à récupérer ces instruments Les instruments, la meilleure façon de les récupérer et la technique, c'est de dépêcher une mission qui va sur le terrain. On peut cibler une région, la région de Zandar. Zander, même quand on dit la région de Zander, on cible dans quel département il faut aller. Dans le département où il faut aller, il faut d'abord écrire à la région, puis le département et les villages concernés. Maintenant, la mission, avant de quitter, elle doit s'équiper de tout ce qui est matériel, didacte et et informatique avant de quitter et ils quittent ici. Les caméras, les appareils photo, tout ce qui concerne les, les magnétophones, tout ce qui concerne l'équipage technique doit être réuni avant de, de quitter et un véhicule. Maintenant, ils quittent, ils vont sur le terrain. C'est possible qu'ils passent plus de jours que prévu. Parce que pour recueillir certaines informations, il faudrait que la mission souvent accepte ou se machine de, de s'intégrer en profondeur dans cette société. Sinon, ce ne sont pas souvent des secrets qu'il faut donner à n'importe qui, même, même les autochtones du village ou, de, euh, de, la zone, à plus forte raison, quelqu'un qui vient pour faire chercher des informations. Donc tu es obligé souvent de faire deux ou trois jours euh, avec euh, la société parce que tu t'intègres d'abord, vous causez, vous petit à petit, tu dis ta mission euh, aux, amis qui sont autour de toi. Et c'est à eux maintenant de t'indiquer, euh, en allant vers le monsieur qu'il faut voir aussi, il faut le préparer, avant d'aller voir souvent, il faut l'ordre du chef euh, des Makata ou de cet instrument-là, Ou souvent on te dit que le chef même, si leur chef, s'y gère, toute la vie de cet instrument dans ce village-là, il faut euh, aussi qu'il aille chez le chef de province ou du chef de village pour chercher l'autorisation de donner certaines informations. voyez combien même c'est difficile, puisque tu peux prévoir trois jours et faire quatre ou cinq semaines sans que tu aies les informations nécessaires. Et souvent, tu peux avoir des informations sur l'instrument, faire l'étiquette de cet instrument, mais ne pas avoir l'instrument. Là aussi, c'est un autre problème. Donc il faut encore engager d'autres négociations parce que le plus souvent, ce n'est pas l'instrument, le voir sur le marché et le prendre, non. Ce que nous voulons, c'est aller l'instrument proprement dit autochtone, un original, le recueillir. C'est ce qui est plus important. Sinon, d'ici même, on peut fabriquer tous les instruments que nous connaissions et, venir les exposer, dire que maintenant, là, ça n'a pas sa maturité. Est-ce que vous rencontrez des difficultés en voulant récupérer un instrument ou bien requérir un instrument voyez qui se trouve avec son propriétaire Vous payez pour les prendre ou bien vous arrivez juste comme ça, vous lui expliquez l'importance de ces instruments et vous l'offrez Payer là, si tu pars sur la base de payer, tu ne vas pas requérir un seul instrument. C'est difficile. il faudrait une bonne politique d'approche pour requérir l'instrument. Il peut te céder l'instrument à base du de la manière dont euh, tu donnes de l'importance à ta mission d'enquête et de collecte. C'est en ce moment-là que la personne, il faudrait qu'il soit partie intégrante de l'équipe pour qu'il vous cède l'instrument. Et c'est cet instrument-là qui est très valeur. Par exemple, vous voyez un instrument qui est là-bas, qu'on appelle, euh, c'est un, un instrument qu'on appelle tambour de princesse, qui a presque un siècle d'existence il a plus, a plus d'un siècle. Le recueil, ça n'a pas été effacé. Il a fallu qu'on montre pendant deux ou trois semaines l'importance et faire, parce que ce n'est pas un instrument qu'on va voir sur eux. C'est juste un instrument qui est là dans un palais, qui est joué pour euh, les princesses, juste dans la cour. Les jours de cérémonie de réjouissance populaire, baptême ou mariage, on peut sortir cet instrument-là dans le palais, jouer ça aux femmes euh, du roi ou les jours de, de fêtes religieuses, hein, cérémonie religieuse de, de, du truc là, on, sort cet instrument là, on le joue pour les princesses pour qu'elles se distressent. Parce que, mais c'est pas un instrument qui sort sur le, les places publiques où on peut rencontrer partout ailleurs où on le joue. Et il n'est pas joué n'importe où, pas n'importe quand et pas n'importe comment. Et pas par n'importe qui. Donc c'est ça qui fait l'exception de certains instruments dont le public ignore l'existence et la valeur de certains instruments. Parce que certains instruments incarnent un personnage. En voyant un instrument même, certains instruments, tu peux savoir de qui il s'agit et de quoi il s'agit. Vous voyez Par exemple, quand vous prenez l'anneau là que les forgerons jouent, Zari. Zari, en voyant ça, tu vas savoir que nous, qui sommes les professionnels de la chose, dès qu'on voit Zari, c'est un personnage. On sait que ce n'est pas joué par celui qui n'est pas un forgeron. Et même les forgerons, ce ne sont pas tous les forgerons qui ont droit à jouer sur cet instrument. C'est seulement les enfants d'une femme, d'un forgeron, qui sont habilités à jouer à Zari. L'enfant mâle d'un forgeron n'a pas le droit de jouer à Zari. Donc vous voyez, dès qu'on voit un joueur de Zari, nous, les professionnels de la chose, on sait que celui-là, c'est un enfant, l'enfant d'une fille forgeron. Tu n'as même pas à, à te poser des questions d'où il vient. Automatiquement, tu sais que c'est l'enfant d'une fille forgeron. monsieur le directeur, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui le public visite ce musée-là Ils sont réticents parce que il y en a même qui, euh, qui, ne savent, qui ne connaissent même pas l'existence de ce musée. Mais nous sommes sur des communications et nous sommes en train de aussi tracer un programme euh, de journées porte ouvertes pour que la population en prenne conscience. Mais euh, il y a certains établissements à qui on a écrit beaucoup même des établissements. Euh, les Britanniques militaires, chaque année, ils amènent leurs élèves ici en visite dans ce musée. La Fontaine aussi, l'Alliance. Mais le paradoxe est que ce qu'on regrette le plus, le, plutôt, c'est que nos écoles nigériennes ne font pas d'efforts pour faire visiter euh, leurs élèves ce musée. Dans ce sens, qu'est-ce que vous comptez faire pour que les élèves euh, de nos écoles publiques ou privées puissent visiter ces joyaux-là Ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on a fait. On a écrit, on a fait tout. Mais ça se comprend aussi. Parce que les autres écoles, ce sont des, des, des, écoles très structurées, privées. Ils ont leurs bus, ils louent souvent les, les bus au niveau de Sotroni. Souvent c'est Sotroni, souvent c'est des bus propres à leur école. Alors tu vois où ceux de ces les Britanniques ont leur propre bus militaire là. Donc nos écoles publiques là, elles n'ont pas assez de d'argent de fonctionnement pour faire louer un bus et faire visiter les élèves. Vous voyez, tout ça là, nous nous pouvons comprendre que ils ont des difficultés dans ce sens. Or, pour qu'il y ait que la visite, il faut que la visite soit bien organisée, que le l'école avertit que tel jour nous allons amener les élèves, nous, nous allons prendre les dispositions d'accueil et de comment va faire, se fera la visite. Parce que quand tu as une centaine d'élèves, il faudrait les organiser, que si 20 autres ou 15, à des groupes de 15, 15 ou 20, 20, ils sortent, d'autres rentrent, etc., etc., etc. Quel est l'instrument le plus aimé, le plus choyé par les visiteurs Bon, les visiteurs, ils n'ont pas de, ils n'ont pas de préférence de tel ou tel instrument et le, est le plus aimé. Mais ils ont toujours dans la conscience le mythe qui est ce tout ce patrimoine-là qu'ils ignorent, qu'ils ne connaissent pas. Et ce dont je regrette d'ailleurs même, aujourd'hui tu vas prendre un enfant de, de la fontaine, ou de l'Alliance qui sont des expatriés, qui connaissent mieux aujourd'hui certains instruments, euh, le kalangu ou le molo ou, le kuntiji, par rapport à nos enfants qui sont nés ici à Niamey, qui ne connaissent même pas un kalangu, ou la différence entre le kalangu et le dondo. Parce que chaque année, ils font la visite sur les instruments. Par contre, nos enfants ne le font pas. Donc, ils me connaissent, ils confondent que kalangu et dondo, c'est même pas pareil et même pas les enfants. Je ne vous ai pas coupé. Quelle différence y a-t-il entre Kalangu et Dondon Voilà. Euh, la différence entre Kalangu et Dondon, il y a trois aspects de nuances de différence, des effets de différence. Le premier, la hauteur. Entre le Dondon et le Kalangu, la hauteur du Dondon est plus élevée par rapport à la hauteur du Kalangu. Mais dans la forme et dans la conception, ils sont les mêmes. La deuxième des choses, c'est que le Kalangu il est accompagné toujours d'un autre petit kalangu qu'on appelle euh, dans le jargon vernaculaire tankarbi. Il est secondé sous l'autre kalangu, d'un autre petit kalangu qu'on appelle tankarbi. Et on joue les deux ensemble. Et le troisième aspect, c'est qu'il est ethnique. Le kalangu, il est origine ethnique. Par contre, le dondon est d'origine ethnique. sarma. Mais dans la forme, quand vous les voyez, c'est la même chose. Mais quelqu'un qui n'est pas euh, du, technique euh, du domaine technique professionnel ne peut pas faire la différence. On confond que le dandola et le kalangu, ce sont les mêmes parce qu'ils ont la même forme. Dans la forme, ils sont les mêmes, mais dans le truc, ils ne sont pas les mêmes. Et le quatrième aspect qui fait leur différence, souvent, la fonction. La fonction dans laquelle ils sont utilisés peuvent différer. Bien que tous les deux peuvent être utilisés dans, dans la musique populaire et dans la musique aussi sacrée. Mais euh, le kalangu, lui, il va au-delà de tout ça là, il va même dans la musique socio-professionnelle. Parce que, pourquoi je dis, quand vous prenez Rumichi, vous connaissez l'événement Rumichi, il est toujours joué par des kalangu. Et ça, c'est juste le secteur socio-professionnel. Et là, cette musique-là, elle est jouée pour la circonstance seulement à travers les Kalangou. C'est un événement qu'ils font par an. Dans chaque région, peut-être les bouchers peuvent se regrouper et décréter d'une date qu'ils vont faire le Rumji. Ils le font et cette musique Rumji est jouée par les Kalangou. Et cette musique-là, elle n'est pas euh, jouée n'importe comment. C'est juste un rite et la musique qu'ils vont jouer va toujours dans ce rite-là. C'était là Boubacar Garba, dit là, il est le conservateur du musée des instruments traditionnels Maman Garba, situé dans l'enceinte du, CFPM, du CFPM à à Niamey. Retour sur les Jeux olympiques, on a beaucoup parlé de la performance du vice-champion du monde olympique, le Nigérien Abdelazak Issoufou Alfaga, un peu moins des autres représentants du Niger. En athlétisme, Hussein Jibo chez les hommes et aux 400 mètres et Mariama Mahamadou Itatou chez les femmes également aux 400 mètres étaient dans la course. Ils n'ont pas dépassé le stade des séries et des résultats décevants que commente une spécialiste de la question. Il faut faire plus pour notre sport, estime le président de la Fédération nigérienne euh, d'athlétisme, Hamidou Issa Djibril, au micro de Moutari Mahamadou. Si vous voulez, une appréciation mitigée. Parce que c'est des jeunes qui ont la volonté mais qui n'ont pas euh, d'entraînement. Et vous savez, l'athlétisme, ça ne se fait pas, euh, en tout cas, sans ressources. Malheureusement, c'est ce que la fédération est en train de vivre aujourd'hui. Au début, on s'est, battu pour faire assez de choses pour l'athlétisme. Mais aujourd'hui, euh, pratiquement il y a une démission des autorités, si je peux le dire, une démission des autorités dans ce domaine-là. Et c'est pourquoi, euh, malheureusement, malheureusement, la fédération est en train de, de prendre un coup. Aujourd'hui, nous avons des invitations au niveau international auxquelles euh, la Fédération nigérienne d'athlétisme ne pourra pas participer. Un moment, c'est avec nos, fonds, nos moyens personnels que ces athlètes se déplacent. Il n'y a pas longtemps au championnat d'Afrique, euh, c'est avec les moyens personnels de la Fédération grâce, grâce, je dis bien, à la société Move qui nous a euh, donné et le billet d'avion. C'est avec ça que l'athlète a pu faire le déplacement pour aller jusqu'en Afrique du Sud. Et pourtant, euh, c'est sans faire de la publicité, sans faire de, de bruit. La fédération nigérienne d'athlétisme est en train de faire tout ce qu'elle peut en matière de développement de l'athlétisme. Aujourd'hui, la Fédération nigérienne d'athlétisme est la mieux dotée dans la sous-région en matière de kit d'athlétisme. Toutes les régions ont été fournies en quête d'athlétisme. On a créé des centres on a créé des experts, on a créé, euh, euh, on, a, formé des experts, on a formé les meilleurs entraîneurs de la sous-région. Aujourd'hui, c'est des Nigériens qui ici et les, les grandes compétitions internationales, euh, en tout cas au niveau de l'Afrique. Donc, c'est dire que la fédération est en train de faire ce qu'elle peut. Hamidou Issa Djibril, le président de la Fédération nigérienne d'athlétisme, souligne également euh, qu'un effort doit être fait pour euh, les athlètes femmes. Elle est au micro de Moutari Mahamadou. Les jeunes s'intéressent à l'athlétisme au Niger, mais le problème qui se pose au Niger, c'est au niveau des filles. Les filles ne s'intéressent pas du tout à l'athlétisme au Niger. Et, du coup, dans les classements, ça recale le Niger dans le classement général. Oh, ça, c'est, je pense que c'est une question de culture ou bien c'est une question de, de société. Et c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Euh, les clubs, il y en a, il y en a beaucoup. Parce que euh, depuis que nous sommes venus, nous avons exigé à chaque ligue de créer des clubs. Donc vous pouvez avoir au moins au niveau de chaque ligue euh, 4 ou 5 clubs au niveau de chaque ligue. Donc c'est dire que nous avons 8 ligues. Si on prend, on doit avoir au moins 40 clubs d'athlétisme. Bon, ça dépend de, des moyens des, ligues aussi. C'est les moyens qui font fonctionner euh, ces, ces clubs-là. Malheureusement, malheureusement, euh, aujourd'hui, euh, la fédération même a, utilisé tous les moyens pour euh, pour pour pour faire ce que ce, ce qu'elle peut, mais malheureusement, ça, ça ne marche pas en fait, euh, je pense que nous sommes en train de faire euh, un bon travail. Et nous avons créé des, des clubs et aussi on s'intéresse euh, au niveau de, au niveau, à l'éducation. Nous avions eu même à signer une convention avec le ministère de l'Éducation nationale. Mais depuis la nouvelle organisation du ministère de l'Éducation nationale, notre point focal a pratiquement disparu et du coup ça ralenti nos activités. Donc voilà un peu, il y a assez de domaines, euh, assez de facteurs, je peux dire, qui sont en train de freiner le développement de l'athlétisme au Niger. Et, je vous cache je vous cache rien, les autorités ne s'intéressent pas à l'athlétisme au Niger. C'était là Hamidou Issa Jibril, le, président de la Fédération nigérienne d'athlétisme euh, par rapport à la faible performance des Nigériens en athlétisme les programmes de Studio Kalangu à Niamey sur la radio alternative 99.4 FM à Zender sur la radio Choukra FM 105.5 FM à Dosso sur la radio Fara 92 FM à Tawa sur la radio Tambara 107 FM à Arlit sur la radio Ikokan 95.1 FM à Agadez sur la radio Nomad FM 101.9 FM à Tilaberi. Sur la radio Tébouassi. 97.5 FM à Maradi. Sur la radio Garquois. 107 FM à Filengue. Sur la radio Mouriatalata. 95.1 FM à Difa. Sur la radio Anfani. 100 FM. Studio Kalangu. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre constante fidélité au programme du studio Kalangou. Au revoir. Studio Kalangu. Les programmes du studio Kalangu à sur la radio Amphani 100 FM et sur la radio alternative 99.4 FM à Agadez sur la radio Nomade FM 101.9 FM à sur la radio Ikokan 95.1 FM à Difa sur la radio Amphani 100 FM à Dosso sur la radio Farah 92 FM à Tirozirine sur la radio Azuru 95.1 FM à Pilingue sur la radio Mourir Talaka 95.1 FM à Tilaberi sur la radio Tebonsi 97.5 FM à Maradi sur la radio Garkwa 107 FM à Tawa sur la radio Tambara 107 FM à Zende sur la radio Shukra 105.5 FM. Studio Kalangu.